was Farm? Ist was Farm? Ist was Farm? Ist was Farm? Ist was Farm? Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire Espace Femmes du studio Kalangou consacré aux questions d'actualité ou de société que se posent particulièrement les femmes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une occupation majeure des femmes du Niger, la femme et les activités manuelles qui impactent de la vie familiale et la société. L'abstraction croissante du travail est constatée par l'augmentation des métiers de bureau devenus la norme, mais surtout elle a entraîné une dévalorisation importante de tous les emplois manuels exercée par les femmes. Pour mieux comprendre cette thématique, j'accueille ce soir au studio Madame Seida Inoussa, apprenante au Centre des jeunes Calais Sud. Madame Oum Jamila Diko, fondatrice et directrice générale du foyer Jamila. Et enfin, Monsieur Amadou Boubakar, formateur au Centre de formation Jamila. À la présentation, Rafika Taher. parler du travail de la femme, il faut tout d'abord préciser qu'une femme exerce déjà une fonction à la maison. En effet, quand elle est femme au foyer, elle s'occupe de la gestion de son ménage et cela fait appel à des aptitudes, des capacités que seule une ménagère développe à plein temps. Madame Dico, en tant que directrice d'un centre de formation, pouvez-vous d'abord vous présenter et nous présenter votre centre Merci Madame de me donner la parole et je m'appelle euh, Madame Omejemila Duko, fondatrice et directrice générale du foyer Jamila. Le foyer Jamila, c'est un centre de formation en couture, cuisine et restauration pour les jeunes filles de scolarisées et non scolarisées depuis 86 que j'ai reçu mon diplôme d'une maîtresse couturière. Et cela m'a dit il faut aussi que j'enseigne et aide mes autres sœurs et frères et sœurs dans ce métier-là. Maintenant, il y a 10 ans que je suis au foyer là. et l'État nous a donné le centre de Samaria Kacha Abidjan, comme lui aussi sa contribution. Et donc, comme ça, nous avons eu cette aide-là et que nous formons des filles officiellement en couture, restauration, c'est des femmes ou des filles que vous avez dans votre centre Avant, c'est des filles. Mais maintenant, ça fait trois ans, on a remarqué que plutôt qu'il y a des femmes en difficulté dans le foyer qui a besoin aussi d'aide. Par exemple, à Niamey, quelles sont les structures euh, qui offrent les mêmes genres d'activités Les structures qui offrent les mêmes genres d'activités, il y en a public comme il y en a privé. Ils sont beaucoup, donc je ne peux pas tout citer. Mhm. Mais je sais qu'il ah, y a un centre au premier Abidjan aussi ont fait le même quartier. Et aujourd'hui, je viens de rencontrer ces centres-là aussi où j'ai rencontré des femmes et des filles qui sont là en formation. Elles sont nombreuses quel genre de femmes est-ce que vous accueillez dans votre foyer On accueille les filles déscolarisées. Et on accueille aussi les filles non déscolarisées. On accueille aussi des femmes en difficulté dans les foyers. À partir de quel âge De 14 ans jusqu'à 35 ans. Parce qu'il y a des filles qu'on amène très jeunes qui n'ont pas pu continuer les études ou qui n'ont jamais été à l'école. Maintenant, on les amène et on les récupère. Madame Saïda, ça fait combien de temps que vous pratiquez votre activité Merci pour la parole. Je me nomme Nana Sayeda Inus Apprenante au centre des jeunes, le on suit une formation dans le centre. Il y a plusieurs branches. Il y a couture, cuisine et perlage. D'accord. Savez combien de temps que vous pratiquez l'activité On pratique cette activité depuis le mois d'août 2019. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie Vraiment, ça, ça nous a beaucoup changé. Mhm. On a appris beaucoup de choses et surtout tout ce qu'on a appris là-bas, on peut vendre ça. Et surtout, le projet nous aide avec les prêts de taxi de 500 par jour. Quels sont les avantages que ça vous a apporté Ça nous a évité le chômage, les va-et-vient au mariage, baptême, et on économise notre temps. L'avantage aussi, surtout dans, sur mon cas, comme j'étais à l'école, j'ai fréquenté du primaire au terminal. Mais comme j'ai pas pu avoir mon diplôme, donc euh, avec ce projet, j'ai gagné beaucoup d'avantages et j'ai pratiqué des bracelets, des chaînes, je porte, je porte à mes enfants et puis j'ai vends. Monsieur Amadou Boubacar, formateur euh, au foyer Jamila, rencontrez-vous des problèmes dans la formation de ces jeunes femmes Bonjour. Si oui, euh, lesquels Donc au niveau de la formation, comme tout enseignant, il y a toujours des difficultés qu'on rencontre, mais on les gère parce que chacun a sa capacité d'apprendre. Il y a des filles dont vraiment il faut mettre du temps pour comprendre l'explication, les cours et autres. Il y a d'autres qui arrivent à comprendre facilement. C'est vice-versa. Au minimum, combien de tests que ces formations peuvent prendre Ça dépend du niveau de compréhension de l'élève. Le temps normal de la formation, c'est trois ans. Si l'enfant arrive à accumuler toutes les connaissances à moins d'un an et demi ou deux ans, on les libère en tant que maîtresse couturière en trois ans. Donc, en moins de deux ans, nous avons l'attestation en tant que couturière. Et qu'est-ce qui finance ces formations Qu'est-ce que ça vous rapporte à vous dans le foyer Le financement, au début, ça vient de la CTB, puis FFK, e puis l'État. Donc, à part les contributions, nous contribuons de notre même propre fonds pour former ces élèves. En effet, la femme qui travaille jouit d'une indépendance et s'occupe de son épanouissement personnel. Elle apporte en outre un réconfort moral et matériel. Il y a des femmes qui ont des problèmes, euh, par exemple celles qui sont mariées. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les maris Ils sont accessibles et comment ça se passe les problèmes ne manquent pas, mais si c'est arrivé à notre niveau, on les gère. Maintenant, ça me fait presque 7 euh, ans de la formation, mais on n'a pas rencontré de problème avec la femme et son mari, parce qu'elle vient avec le consentement de son mari. Je reviens sur euh, ma question précédente. Qu'est-ce que ces formations-là vous rapportent Le bénéfice, euh, c'est-à-dire, c'est bien d'aider les jeunes, c'est bien aussi d'aider les femmes, ça contribue à leur autonomisation. Tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour de l'argent, on le fait uniquement pour la réussite de notre sœur, pour qu'elle puisse être dans la vie, qu'elle puisse être indépendante. Parce que quand tu as quelque chose, même si ton mari n'en a pas, tu peux faire tes petites dépenses sans pour autant le déranger. Parce que trop demander, trop de non. Madame Diko, pouvez-vous répondre à la même question Selon vous, est-ce qu'il y a des impacts que ces formations-là peuvent apporter aux femmes des impacts positifs comme négatifs Dans l'expérience de 34 ans donc, euh, de formation, il y a eu beaucoup de choses qu'on a vues au moment où même la couture ici dans notre pays n'était pas pris comme un travail rémunérant. Quoi. Dieu merci, les gens, la famille, tout le monde a compris que travail manuel est important. L'impact des fois, bon, les femmes vont avoir des fois des difficultés que mon enfant est malade, je suis à la maison, que j'ai eu des étrangers, de mon mari, je dois faire la cuisine. C'est différent des filles qui sont libres. Là, il y a cette différence-là. Des fois, elle est enceinte, j'ai ceci, j'ai cela par rapport aux jeunes filles. Vous n'avez jamais eu un cas de refus de mari dans votre foyer Donc nous, avant même que tu inscris ta femme, il y a le règlement. Si tu acceptes le règlement, on signe le contrat et on, on ta femme. Dans le cas contraire, on ne le pas pour éviter tout problème. Donc, il faut le consentement du mari pour que la femme mariée puisse euh, s'inscrire. Et, pour, les jeunes filles Les jeunes filles, si tu viens avec tes parents, on t'accepte. Des fois, les jeunes filles qui sont mûres, elles-mêmes, elles vont dire, bon, moi, je veux venir apprendre ici. Bon, si elle, vient elle seule et qu'on voit qu'on la teste un peu psychologiquement, que réellement, elle, veut venir apprendre, on l'accepte. Hum. Et on lui apprend le travail. Madame Saïda, qu'est-ce que vous pensez À ce sujet, c'est vrai ce que Tante a dit. Une fille qui a pu être déscolarisée, donc ça, veut dire qu'elle a refusé d'être à l'école, ou bien elle a commencé, elle s'est arrêtée. Certaines, c'est leur parents qui décident de les ramener au foyer pour apprendre les travaux métiers, surtout pour l'aider la fille dans son maison conjugale. Êtes-vous mariée Oui. D'accord. Et comment ça se passe avec votre époux Vraiment, moi, ça se passe bien parce que je me suis mariée lorsque j'étais en classe de seconde. Après, j'ai fait mon lycée, j'ai fait mon bac deux fois en terminale D. J'étais pas admise. Donc, euh, mon mari m'a inscrit aux écoles privées pour faire mes études. Au, baccalauréat, c'est plus de 200 000 par an. Et on a des enfants. Donc, j'ai décidé à mon mari de laisser affaire de donner l'argent au privé. Donc, je vais rentrer dans un centre pour suivre une formation dans les travaux manuels. Et après, je, vais faire même si c'est candidat livre raison pour laquelle j'étais rentrée au centre d'hygiène. Et heureusement, j'ai trouvé qu'il y a un projet qui est là pour former les filles déscolarisées ou non scolarisées. dans ce cas, j'ai profité pour donner mon nom et suivre les formations. Pour illustrer un peu la situation de ces braves femmes qui pratiquent le travail manuel, je vous propose de suivre le portrait d'une femme qui a fait ses preuves dans la formation, la production et la vente de ses produits faits à la main. Il s'agit de Madame Zara Habou. Née à Tanout et âgée de 48 ans, mère de sept enfants, Hajia Zara Habou, plus connue sous le nom de Zaraou, est une femme promotrice de travaux manuels à Niamey, plus précisément au quartier Banifondu Kokorba 2. Non scolarisée, Zaraou s'est lancée dans cette activité il y a de cela 13 ans, un travail qui a complètement changé sa vie. Comme tu le vois, je n'ai jamais fréquenté de foyer d'apprentissage. C'est à la maison que j'ai tout appris. Je me suis juste formée en utilisation de la machine, mais tout le reste, c'est à la maison. Par exemple, quand je vois une femme qui sait très bien s'y prendre, je m'accroche à elle pour apprendre. Si elle accepte de m'aider, tant mieux. Sinon, je pars voir ailleurs. C'est comme ça que j'ai appris tous ces métiers-là. En travail manuel, il n'y a aucun que je ne maîtrise pas. Je sais tricoter, je peux travailler avec le crochet, je sais utiliser la machine à coudre la machine à tricoter. J'ai aussi appris à pédaler. J'ai même eu un diplôme. Et je travaille les perles aussi et tous les autres travaux manuels que vous connaissez. Et j'ai beaucoup profité de ce boulot aussi. Dieu merci. Vu que j'arrive à me nourrir et à satisfaire mes besoins. Dieu merci ambitieuse et courageuse Zara Habou s'intéresse aussi à la formation pendant cinq ans elle a formé des filles du foyer de l'association alternative espace citoyen formation qu'elle dispense aujourd'hui de chez elle je forme les jeunes filles en utilisation de la machine à tricoter et en tricotage à la main et tous les autres travaux manuels. J'ai formé beaucoup de jeunes filles. Je ne peux même pas te donner le nombre exact. J'ai formé les jeunes filles des alternatives en tricotage et en couture. Il y a deux types de tricotage, le tricotage à la main et le tricotage à la machine. J'ai passé presque 5 ou 6 ans à l'alternative, mais maintenant je ne suis plus là-bas, je suis à la maison. Zara est très apprécié et à l'estime des apprenants. Le temps que j'ai passé avec elle, vraiment, nous vivons paisiblement. Et elle m'apprend beaucoup de choses. Elle nous montre comment travailler. J'ai beaucoup appris, comme le tricotage avec le crochet et bien d'autres. Nous souhaitons vraiment qu'elle continue dans cette lancée. Les femmes, particulièrement les jeunes filles, se doivent d'aller de l'avant, estime Zara Habou, car selon elle, le travail manuel rend la femme indépendante financièrement et lui permet de contribuer aux dépenses de la famille. On va continuer avec vous, Madame Dico, En tant que directrice, pouvez-vous nous donner une estimation de femmes formées dans votre foyer Depuis que le foyer existe, combien de femmes est-ce que vous avez formées En tout cas, j'ai formé plusieurs filles et femmes dans ce pays. Parce que avant qu'on ne parte à Maradi en 97, j'étais à Niamey, j'avais mon centre de formation à mes propres fonds et de 86 à 97 ici à Niamey, j'ai formé plus de 200 et quelques filles. En ce moment-là, c'est seulement des filles que j'ai prenais. Mm. Et après, on a quitté, on est parti à Maradi, là-bas aussi. En trois ans, j'ai pu former 122 filles, d'autres qui arrivent au diplôme d'autres qui n'arrivent pas au diplôme. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Parce qu'à Maradi, là, quand on nous a affectés avec mon mari pour aller à Gaïa, et les familles, des enfants, tous les quartiers là entouré la voiture en pleurant parce qu'une femme va quitter et les laisser vie Ça m'a donné beaucoup d'émotion le jour-là parce qu'elles sont venues, c'est pleurer. Mhm, un beau souvenir. Merci. Et à votre avis, Bon, ça rejoint un peu ce que vous venez de me dire, la contribution de votre foyer dans la vie de ces femmes-là, ici à Niamey et partout au Niger. Bon, ma contribution, c'est qu'il y a FFK qui envoie des enfants qui donnent des formations. Et aussi, quand on inscrit l'enfant, si elle n'arrive pas à payer, j'ai l'habitude de former gratuitement. Si tu as le moyen, tu payes. Si tu n'as pas le moyen, je gère. C'est comme a dit mon formateur que même si tu n'as pas le moyen, on forme. Donc nous, c'est une entreprise sociale. C'est une entreprise sociale. Donc ma contribution, c'est de voir que la fille a appris et qu'elle est active dans son foyer. Chez elle, ou si elle couche chez elle, ou bien elle ouvre son foyer, j'essaye de, faire de mon mieux pour que la fille soit bien formée. Et maintenant même, je suis en train d'ouvrir même une partie à Tawa où il y a ma fille qui est enseignante dans un CEG en cuisine et couture. Elle fait enseignement ménager. Et elle a commencé à recruter déjà des filles. J'ai envoyé les matériels pour démarrer. En mhm. Qu'en est-il du foyer de Maradi Quand on nous a affecté ce tawa, je suis obligée de suivre mon mari. Donc on est obligé de fermer. Après, je suis revenue à Niamey. Pouvez-vous nous raconter une anecdote, par exemple, une, une femme que vous avez suivie, peut-être qui a réagi après votre départ à Maradi Il y avait une fille, quand on nous a affecté à Maradi, J'étais obligée de fermer. Maintenant, le jour où le CAC est venu nous prendre devant l'atelier, la fille a commencé à pleurer. Que je ne vais pas la quitter, qu'elle ne va pas me laisser. J'ai tout fait. Elle a pris <laughs> mon habit comme ça, moi, je ne vais pas aller la laisser. Les autres pleuraient, mais elle, elle a insisté et elle va me suivre. Mhm. J'ai demandé à maman, comme c'est comme ça Les parents sont allés à la maison prendre ses bagages et on est parti avec la Maradi. C'était ah. une malienne. Elle est présentement avec vous. Malheureusement, elle n'est plus dans ce monde. Et voilà. Ah, je suis désolée. Voilà. Monsieur Amadou, y a-t-il des femmes qui abandonnent en cours de formation Il y en a, mais pas tellement. Même s'ils quittent, déjà elles ont acquis quelque chose. Donc, arrivés à la maison, ils font leur petit travail tu leur apporte quelque chose. Donc là, je ne peux pas dire qu'ils ont abandonné, mais ils ont quitté le foyer. Vous les formez dans les mêmes activités à chaque fois ou bien vous comptez encore euh, apporter un plus euh, à ces formations-là oui, il y en a des innovations parce qu'on n'est pas encore resté sur les mêmes euh, formations. Il faut avoir autre chose. Donc, pour que ça soit un plus. Pouvez-vous nous dire quelles sont les formations que vous dispensez Il y a couture, il y a restauration, il y a cuisine, et transformation agroalimentaire aussi. Mais lui, il le fait ça dépend de la filière qu'elle a le fait. le tatouage, comme les gens disent, tchadien. Après ces formations-là, est-ce qu'il y a un suivi Le suivi est difficile parce que certains, ils quittent les pays, soit ils partent dans les régions, soit ils quittent complètement le Niger. Parce que les filles que nous formons sont de plusieurs nationalités. Donc, euh, si on suit d'autres, on ne peut pas suivre d'autres. Mais ils viennent nous consulter aussi après pour des conseils, pour leur euh, activités. Madame Duc, en tant que directrice euh, d'un centre de foyer, vous devez aussi pouvoir me répondre à cette question. Est-ce que vous arrivez à suivre euh, ces filles après les formations Oui, on les suit parce que, surtout pour les Niamis, là, elles ont fait un groupe, elles font leur fin et s'il y a quelque chose, s'il y a un problème, elles viennent vers nous, on les conseille. Mais généralement, forme depuis très bien. Mais ce que j'ai remarqué, généralement, elles font tout à la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui maintenant qui fait comme nous, qu'elle ouvre un atelier pour quitter d'autres. Elles font ça, elles entendent des clientes beaucoup de clientes, mais elles, elles, sont mariées et elles font ça à la maison. Et quel genre de suivi vous leur apportez D'abord, quand on les forme là, on cherche des financements pour qu'elles pour aient au moins les machines. Parce que si elles n'aiment pas le machine là, il y a d'autres qui n'ont pas le moyen. Elles vont mettre les diplômes de côté et puis c'est fini. Donc, on sait pas pour qu'on tout trouve financement. tout cas, on exige aux parents ou aux maris de leur payer machine. Et si elles ont des difficultés, elles viennent vers nous, on nous appelle, on va sur le terrain, on, regarde. regarde. Il y a d'autres qui ont donné des diplômes ou à leurs apprenantes à la maison. Et si elles vont donner le diplôme, là, on voit, on suit jusqu'à la fin, on fait les cérémonies et on l'aide à, donner ses diplômes. Il y en a beaucoup qu'on a aidé de cette façon et que je suis leur tante, leur mamie. S'il y a quelque chose, tante, j'ai tel problème là, comment je vais résoudre ça Je dis, bon voilà, venez, on, discute et puis c'est fini, elle, est soulagée, elle part. Parce que c'est un métier difficile, tu n'as pas ton temps, ton propre programme là, tu ne le fais pas. Hein. Tu vas dire maintenant, aujourd'hui je vais aller à un mariage ou quelque chose comme ça, ou je vais aller ceci ou cela, je vais une visite à ma famille, quelque chose comme ça. Hop, une cliente t'appelle par téléphone. J'ai un habit là et je vais ça demain. Tu vas dire non. Tu es obligé, donc tu annules ça là pour le travail là. Donc c'est difficile à faire. Mhm. Tu es toujours à la disposition des clientes. Mhm. Parlez-nous un peu plus des difficultés que vous rencontrez. Voilà, c'est difficile, ça c'est difficile. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Tu te ton programme, on te déprogramme. programmes et tu es obligé de le faire. Si tu le fais pas, demain les clientes vont dire, tu vas dire, c'est toi qui annules ton temps, pas le temps des clientes. Des fois, tu vas rentrer à 2h du matin chez toi. Tes enfants sont là en train de chercher où est maman, où est maman. Maman est à la télé. Ce qui fait que ce maintenant, c'est difficile pour les filles d'aujourd'hui de faire ça comme ça se doit. Comme nous, nous sommes battons. Moi, quand j'accouche, même, une semaine après, on m'amène la machine à la maison. Je ne peux même pas faire 40 jours, quoi on dit, avec mon bébé. Le jour même du bâton, d'autres m'amènent du coup, de la couture. Je cours à la maison et on livre. Vous voyez Aujourd'hui, pour dire on dit que une telle est devenue couturière, une telle est devenue célèbre. Il ne faut pas demander comment elle a fait pour devenir célèbre. C'est un métier difficile, la couture, là. Surtout si tu es des clientes, c'est différent. Les petites que tu peux faire prêt à porter, tu es plus libre. Mais enseigner et puis recevoir les clientes par jour, livrer par semaine, ma chère, tu n'as plus ton temps. Et c'est ça qui est difficile pour les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je vais être coquette, j'ai mon mariage, je ne vais pas le faire. J'ai mon programme, je ne peux pas. Non, non, je n'ai pas le temps. Il y en a, il faut les sensibiliser que non, quand tu es plongé dans ces métiers-là, tu, oublies ton temps. Et si tu n'as pas un mari compréhensible aussi, c'est un problème. Donc, ce sont des difficultés comme ça qu'on nous rencontrons. Et donc, la plupart diminuent les clientes et elles font ce qu'elles veulent. Et elles font de faux rendez-vous. Hmm. Certaines font de faux rendez-vous parce qu'elles elles ne peuvent pas sacrifier leur temps tout le temps dans ces métiers-là. Vous arrive-t-il souvent de vous séparer de, de certaines filles bien avant la fin de la formation oui, il y en a, y en a des, y en a des cas, beaucoup de cas. Elles vont faire, d'autres, elles vont faire un an, un an et demi ou deux ans avant même de prendre leur diplôme. Tu vois, voir, elle sait faire. Maintenant, elle, a, elle ne veut plus venir au centre. Elle a commencé à gagner l'argent là à la maison. Elle abandonne pour les clientes là. Elle a commencé à goûter le fruit de la couture là tu vas voir que finalement, elle va dire bon non, elle, ne va pas continuer ceci, là. Elle a son travail à la maison. Mais est-ce que vous suivez ces genres de filles qui décident de partir il y a des, filles qu'on peut gérer. Mhm. Il y a des filles qui quittent la ville. Tu te maries dans une autre ville ou bien dans une autre. On ne peut pas les suivre. D'accord. Là, c'est le cas des filles qui décident de partir. Vous arrive-t-il de, faire partir euh, des filles Par exemple, pour faute grave ou quelconque euh, raison Merci. Mhm. Dans toute chose, s'il n'y a pas la discipline, ça ne peut pas aller. Et il y a des fautes. Premièrement, on convoque le parent affectivement Deuxièmement, on convoque le parent affectivement Troisièmement, on convoque les parents avertissement. Si l'enfant, la fille n'a pas, pas écouté sa directrice générale, le formateur, les parents, non. Donc c'est fini, on la libère. Mais nous, on arrive à ce que de prendre les enfants. On les teste en partie de 1 mois, 2 mois, on sait c'est quel genre de fille on a faire. Parce que hein, si on dit fille de scolariser là, il y a problème. Il y a différents trois problèmes. Soit elle n'est pas intelligente à l'école, elle, elle ne comprenait rien. On dit bon, hey, au lieu de rester à la maison, va apprendre même si c'est un métier. On nous amène parce qu'elle est paresseuse à l'école, elle ne veut pas étudier. On a ces cas. Soit c'est une bagarreuse, des grecs, impolie. On la renvoie de l'école. Soit c'est quelqu'un qui est maladif, elle n'a pas à venir à l'école en temps plein, on la renvoie. On rencontre ces de cas. Et ces genre de cas-là que nous, on nous amène pour récupérer. Il faut être brave, combattante pour les dresser. Sinon, ça ne va pas aller. Hmm, d'accord. Donc, ce sont les filles qui n'ont pas réussi dans la société qu'on vous renvoie. En tout cas, beaucoup. Beaucoup, c'est les filles de scolarité, c'est comme ça. Il y a des filles qui n'ont jamais été à l'école. Quelqu'un les a amenées du village. Elles sont là, elles ont fait leur bébé, grandir leur bébé. Maintenant, elles vont dire, bon, il mes enfants sont, sont grandes. Maintenant, c'est une soeur, c'est une cousine du mari ou c'est une nièce du mari, des trucs comme ça. Bon, maintenant, il faut la mener pour apprendre un métier. Elle n'a jamais été à l'école. Maintenant, on on la récupère. Mhm. Et maintenant, comment la récupérer Il faut qu'on lit. Au moins, parce que c'est maintenant, tout est moderne. Ce sont des codes de coupe, des codes de tissu, tout est moderne. Elle n'a pas été à l'école. Et comment la gérer il faut aller encore par l'alphabétisation, l'apprendre les 26, apprendre les 26 lettres alphabet, comment écrire. Et tout ça là, c'est le travail de ces formateurs-là. Au moins lui donner un niveau qu'elle puisse elle-même couper, coudre, calculer, parce que ce sont des calculs. Maintenant, l'État a évolué. La formation n'est pas comme avant où on dit c'est les patrons, coupe sur patron. non, c'est dans la tête. Il faut apprendre s'il y a des multiplications, des soustractions, des, des divisions ce sont des codes de coupe. Quand tu le maîtrises, tout ce qu'on t'amène là, les yeux fermés, tu vas le faire. Et les codes là, si tu n'as pas été à l'école, c'est difficile. Et donc, il faut qu'on les apprenne. Et on a, on a récupéré beaucoup, beaucoup. Tu n'as jamais été à l'école. Elle peut écrire le nom de la cliente. Elle peut écrire les mesures qu'elle prend et elle peut faire cette division, c'est des trucs comme ça, un bon niveau pour qu'elle puisse devenir couturière. Mais je ne vais pas te dire, elle va bien parler français. Non, elle va se développer dans son métier. Et elle saura comment couper, comment mesurer, comment faire le calcul. Tout ça, elle apprend. Mhm. Voilà, à notre niveau, ce qu'on peut le faire. D'accord. Et voilà. Madame Saïda, qu'est-ce que vous pensez de ce que Madame Diko vient de nous dire est-ce que c'est les femmes euh, et filles euh, un peu difficiles de la société qui s'inscrivent pour les formations c'est le cas, vraiment. C'était votre cas Non. <laughs> moi, mon cas, c'est différent. Hum. Parce que moi, que mon cas, c'est que je ne vais pas rester les bras croisés. C'est ça hum. mon cas. Hum. Je fréquente, j'ai fait tout de mon mieux. J'ai fréquenté du C ou au terminal, je vous ai dit ça euh, dernièrement. J'ai fréquenté, mais arrivé en terminal, c'est comme euh, et à faire de l'examen. Je n'ai pas pu avoir mon bac. J'ai fait tout parce que je me rappelle, en 2018, j'étais en terminale D. J'étais même la troisième de ma classe, mais j'ai pas pu avoir le bac. J'ai l'amour de mon travail et j'ai beaucoup l'objectif, raison pour laquelle j'ai été même à l'école. Mais avec ça, comme j'ai pas pu avoir mon bac, j'ai décidé d'aller faire les travaux métiers. Mais pour les cas de des filles non scolarisées, des filles difficiles. dans La société. Oui, oui, oui, c'est ça. Vous avez rencontré des cas comme ça Oui, oui. On en a dans nos, dans classes, dans nos centres. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Même la langue, pour les expliquer, il faut, il faut que la langue, leur langue maternelle. Tu vas avoir une, une, élève qui est germain, peut-être les, les formateurs, lui, il est ça. Il ne connaît même pas germain. C'est à lui de débrouiller pour la faire apprendre à sa langue maternelle. Elle qui veut apprendre. Elle qui veut apprendre. Mm-hmm. C'est pas elle qui va chercher à apprendre ça pour comprendre le formateur. Non, c'est le formateur qui va chercher une raison, une chance, une voix, toutes les voix. Des fois, elle va même aller demander comment on appelle telle chose en Zarma pour venir faire apprendre la fille. Tu vois mm. Donc, c'est ce cas difficile. Donc, maintenant, autre chose, il y a des filles. Des fois, si elles quittent, et comme, on a dit, comme a dit Tanti, les bagarreuses. Des si elle va, attendre qu'il y a une fille, une fois elles sont elle, elle s'est inscrite à un centre. Volontairement, pour avoir la fille, elle peut elle-même s'inscrire. Uniquement pour trouver la fille là, pour, pour que avoir, résoudre son problème avec la fille. Uniquement pour résoudre son problème avec une autre fille, elle peut s'inscrire dans le centre. Donc, monsieur Amadou Bouboukara, en tant que formateur, qu'est-ce que vous faites face à ça Bon, face à ça, c'est-à-dire un homme parmi les femmes, donc euh, il est appelé à votre devoir fonction. Donc, il devrait gérer certaines situations à son niveau. Oui, je rencontre parce que il y a des fois où, quand je suis au bureau, donc juste je leur donne leur travail à faire. Après des petites euh, zizanies, celui-ci a dit, celle-là a dit, celle-là a dit. Donc, euh, il commence, euh, la querelle commence. Donc, je sors, je les appelle au bureau, tranquillement, à tête reposée. Je leur fais boire de l'eau, donc pour qu'à ce que leur esprit soit apaisé. Donc, je leur montre que la vie là, nous tous, on est venus. Mais qui sait là où elle va nous conduire Aujourd'hui, tu te bagarres avec celle-là. Demain, tu ne sais pas quel bien elle va te faire. C'est-à-dire, peut-être que tu peux voyager, tu peux te, le, mari, et le mariage peut te conduire là-bas, ailleurs. Et maintenant, tu as besoin d'aide. Celle-là que vous vous êtes bagarré depuis, tu penses que tu peux encore aller lui demander d'aide Parce que dans le passé, vous avez eu des problèmes que vous n'avez pas pu résoudre. Dans ces cas, arrangez dès maintenant avant que ça soit trop tard et elles sortent en rien parce que c'est la vérité. Certes, même la langue et est dents, la langue est dents, donc c'est bagarre, mais ça n'empêche pas à ce qui euh, qu'on mange. Oui, mais est-ce que vous avez eu un cas de refus de langage Par exemple, ce que Madame Saïda vient de nous expliquer, oui. qu'il y a des filles qui refusent la formation dans une langue autre que sa langue maternelle. Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez déjà été confronté à ce ça Oui, je n'ai été parce que c'est d'abord si l'élève se présente, on te présente un élève, parce que la communication là, elle est bonne. Si tu ne maîtrises pas la communication, tu ne peux pas enseigner. Tu ne peux pas encore résoudre des problèmes. Tout, c'est la base, c'est la communication. Donc, le langage aussi, il faut l'apprendre. Tel est venu, on est au Niger. Donc, c'est soit les Hausa, c'est soit les Germains, c'est soit la langue officielle. Celle qui vient s'inscrire souvent S'ils ne maîtrisent pas d'autres leur, propre langue maternelle, donc euh, elle a appris la, euh, la langue d'autrui, donc d'autres langues, donc elles peuvent s'exprimer. Donc j'essaye, à l'air nouveau je comprends. Donc je les fais comprendre que voilà le travail, voilà ce qu'il y a à faire. Donc euh, à ce point, n'ai pas un peu de difficulté. Mais tu vas parler à la personne et la langue qui n'est pas sa langue maternelle. Exemple, si elle maîtrise seulement le germain qu'elle parle, tu lui parles ça... donc elle va te dire non, moi je comprends rien. Il faut qu'on m'explique euh, en germain. Oui, certes, parce que pour comprendre, pour comprendre, pour enseigner, il faut que cet apprenant-là comprenne dans sa propre langue, pour qu'il mhm. puisse lui aussi effectuer ses tâches. Mais c'est des formations individuelles ou collectives Non, en collectif. Donc, quand j'explique, j'essaie d'abord de comprendre combien les, les langues parlées dans la salle. Donc, s'il parle deux langues différentes et que je maîtrise les langues, donc en même temps, j'explique de toute sorte que chacun comprend. D'accord. Madame Seda, il y a une question pour vous. Qu'est-ce que vous avez appris Ça, Depuis 2019 que vous êtes dans le centre de jeunes Calais, Calais Sud, mm. donc qu'est-ce que vous avez appris à faire Dans le centre de jeunes Calais Sud, mm-hmm. personnellement... Oui, oui qu'est-ce que vous faites Nous, dans notre, dans notre, sur notre côté, nous, on fait le perlage. À faire de fer, par exemple, votre chaîne, je peux fabriquer ça. Mm-hmm. Avec l'autre modèle, il y a mm-hmm. plusieurs chaînes. Il y a les bracelets, on fait les, tableaux, les faux de plaire. Il y en a beaucoup de choses qu'on fait de, notre côté. Et avec l'aide du projet, on a notre directeur, on a notre formatrice. Et il y a nos camarades avec lesquels on travaille. Madame Dico, fondatrice euh, d'un foyer, apparemment il y a beaucoup de difficultés auxquelles vous êtes confrontée. Est-ce que vous avez toujours les fonds nécessaires, les financements nécessaires euh, pour la tenue de vos foyers Merci de me donner la parole encore une fois. Depuis qu'on a ouvert le foyer j'ai mis là, ici à Niamey, en 2010, ça a été inauguré officiellement où on a cherché un financement au niveau de, en ce temps c'était CTB, Technique Belge de Développement. On a mis un dossier, j'ai voulez encore agrandir le foyer là parce que j'ai vu qu'il y a trop de difficultés aux filles sont là, elles sont là, il n'y a pas de métier, l'école là, ça ne va pas. Bon, c'était moi mon, mon souci, je ne peux pas voir une fille qui est là sans rien faire et qui cela ne me plaît pas. Donc j'ai demandé à, à, la CTB de me donner une aide pour que je puisse réagrandir et puis accueillir beaucoup de filles pour les récupérer quoi, dans ce sens-là. Et CTB a accepté de me donner le financement un renforcement des capacités. Et le pays aussi a vu le cas là qui s'était bien accepté. On m'a donné aussi le locaux du Samaria là, Kachapija. Et c'est comme ça. Donc, euh, et le financement qu'ils m'ont donné, c'est pour augmenter la capacité des machines, matières premières et et réhabilitation du foyer là où on était quoi c'était délaissé même un moment il y avait que des trucs dedans tout est gâté quoi et c'est comme ça on a on a arrangé on a inauguré mais j'ai pas eu de, de, de l'argent spécialement pour autre chose la première année on a commencé on fait nos produits là on n'a pas à les liquider on a fait encore appel à la CTB et ils nous ont donné encore un autre financement commercial Qu'est-ce que vous faites des articles confectionnés par les apprenantes dans les foyers On les met dans le marché et on vient encore, on, reprend, on confectionne. Si on a fini, on, amène dans la boutique. Mais à un moment, il y a eu problème dans les marchés et donc on a laissé. Maintenant, c'est au niveau du foyer que nous vendons nos produits. Dans l'année, je voyage à Lomé deux fois, au minimum par an, aller chercher les matières premières, aller chercher des nouveautés, venir encore continuer la formation. Les produits finis, on cherche des clientes qui viennent prendre d'autres biens en crédit, elles payent d'autres biens, payent cash. Et c'est dans ce contexte-là que nous gérons le foyer. Les sommes récoltées sont utilisées à quelle fin et les sommes récoltées sont utilisées. Il y a le, le, formateur qui est là, il y a moi aussi qui est là, il y a le gardien, il y a eau et électricité, il y a les réparations des machines, les produits d'entretien des machines. Le reste, on met de côté. S'il y a problème, encore, on gère. Voilà un peu comment nous, nous gérons notre euh, voyez. Et les filles qu'on amène, des fois, les parents n'ont pas à payer, on les laisse faire. Et on les jette tout là. C'est un projet qui est là. Nous, nous avons décidé de les aider. Donc, ce n'est pas à notre niveau de renvoyer parce que le parent ne paye pas les frais de formation. C'est lui qui peut payer, il paye. Celui qui ne peut pas, on ne chasse pas ton enfant. Dernière question, Monsieur Diko. Quel appel est-ce que vous lancez aux jeunes filles, aux femmes qui ne sont pas encore inscrites dans les foyers Bon, l'appel que je lance à toutes mes sœurs et grandes sœurs qui n'ont pas encore été inscrites dans ce domaine artisanal, parce que tout ce que j'ai à leur dire, c'est de penser à leur avenir. Souvent, le mariage ne comble pas tous le désir que, la femme cherche, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. Donc, euh, c'est un droit aussi et c'est aussi un devoir pour elle. Aujourd'hui, même si elle arrive à avoir tout dans son foyer et qu'elle n'a rien comme activité rapportrice, c'est son mari qui lui fait tout. Si aujourd'hui il meurt, qui va prendre ses enfants en charge Donc, c'est pourquoi il n'est pas tard de regarder et de revenir apprendre pour nourrir ta famille sans aller mendier ou bien sans aller demander à la porte de quelqu'un. Donc tu règles tes petits problèmes à la maison. Madame Saïda, quel est l'appel que vous lancez à vos soeurs femmes J'ai des appels même le... premier appel, surtout ceux qui sont à l'école, de faire un effort, de bien étudier. Dans le cas échéants, on cherche des centres pour s'inscrire, apprendre les travaux manuels. Ça va nous servir dans le, au cas où on s'est marié, ça va nous aider dans nos foyers conjugales aider nos enfants et même nos parents. Parce que une fille qui a un travail, vraiment ça aide. Madame Diko, quel appel lancez-vous en général pour les femmes Aucune fille, aucune femme ne doit rester à la maison sans travailler elle doit aller s'inscrire dans un centre de la chrétien ou même dans un centre qui peut l'aider à avoir quelque chose parce que je, connais l'importance d'être autonome, indépendante. Si tu n'es pas indépendante financièrement, comme a dit mon formateur, Dieu celle sait ce qui va arriver demain. Dieu sait. Tu peux être dans, le, dans, dans la rose, dans tout comme il disait. Mais on ne sait pas demain c'est quoi. Aujourd'hui, tu peux rouler dans des millions. En peu de temps, tu peux voir que ce n'est pas ça. C'est même pas même la mort. Aujourd'hui, tu en as, demain, ça peut arriver un problème qu'on ne souhaite pas à ton mari. Et que maintenant, il est là, chômeur, il n'a plus de travail ou quelque chose comme ça. Et alors, toi, là, le pintier que tu as, tu peux te débrouiller pour essayer de mettre un peu ton, ton appui pour que ça aille bien. C'est important pour une femme d'apprendre. Et c'est un métier que tu n'es pas obligé d'aller te poser dans la rue ou quelque chose comme ça. Même dans ta propre chambre, tu peux faire quelque chose. Je lance un appel aux filles, aux femmes, d'apprendre un métier, c'est important. Ça t'aide même à oublier certains problèmes. Si tu es là sans rien faire, même si c'est des idées que tu as encore dans ta tête, tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses à ça. Mais si tu as, quelque chose à faire, ça t'occupe. Donc vraiment, je dis que en tant qu'ancienne dans ces métiers-là, je lance l'appel à toutes les femmes, toutes les filles, d'être polies, d'être patientes. C'est un métier mais c'est bon aussi. Donc, essayez d'être patiente avec vos formateurs Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. En tant que citoyen, le travail fait partie des droits les plus élémentaires euh, de la femme. Donc, la femme ne trouve sa juste valeur que dans l'exercice d'un emploi, peu importe lequel, qui lui garantit sa pleine citoyenneté. Pour discuter de cette thématique sur les femmes et les activités manuelles, impact de la vie familiale et de la société, nous étions avec euh, Madame Seida Inoussa, apprenante au Centre des jeunes Calais Sud, avec Madame Oum Jamila Diko, fondatrice et directrice générale du foyer Jamila, et Amadou Boubakar, formateur au centre de formation Jamila. Merci aux auditeurs des radios partenaires du studio Kalangou de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à partir de 17h sur nos 45 radios partenaires. Envoyez-nous vos témoignages et vos propositions en message vocal par WhatsApp au 80 06 80 55. Avant de terminer le forum de ce soir, voici notre rubrique Affairage, une causerie destinée aux auditeurs et auditrices de nos radios partenaires. Affairage, affairage, affairage, affairage. Sadio, Sadio. Oui, maman. Qu'est-ce que tu as Tu es pâle et je te trouve préoccupée. Moi Non. Je. Je suis juste fatiguée. Je ne te crois pas. Tu oublies que je suis celle qui t'a donné la vie. Je te connais donc suffisamment. Qu'est-ce qu'il y a Maman. Parle, ma petite Sadio. Ne te ferme pas. Tu peux te confier à ta maman. Je ne sais comment t'expliquer. Ce matin, j'ai découvert une tache de une tache de sang sous, sous. Je crains de m'être blessée. Je ne sais pas comment. <laughs> Je vois, ma fille. Ce sont tes premières règles. C'est un état physiologique naturel. Tu viens d'entamer une phase de ton adolescence. Et ça, pour une fille, c'est souvent difficile à vivre. C'est pour cela que les mamans doivent créer le dialogue entre elles et leurs filles afin de mieux les suivre et les encadrer. Les règles Qu'est-ce que c'est Bon, viens, écoute-moi. Écoute-moi attentivement. La menstruation ou règle désigne un écoulement sanguin périodique évacué par le sexe de la femme. Cet écoulement peut généralement durer de 3 à 7 jours, selon les femmes. Cela signifie que tu es tout simplement en âge de procréer c'est-à-dire avoir des enfants, donc mes petits-enfants. Donc tu peux tomber enceinte si tu as des rapports sexuels. Ma fille, c'est un moment délicat à vivre. Hein. Pour que tu te sentes bien dans ta peau durant cette période, il est important pour toi de choisir ta protection périodique. Eh Dieu, protection périodique. Il y a beaucoup trop de termes que je ne comprends pas. Hein. Mon cerveau va exploser s'il te plaît, Sajo. Je vais tout expliquer. C'est mon rôle après tout, ou bien Oui. La protection périodique, ce sont les différentes protections hygiéniques. Les serviettes hygiéniques sont les moyens les plus utilisés, mais pas forcément les plus agréables. Les protèges slip permettent d'assurer la protection des flux très légers des débuts et de fin de cycle. Les tampons hygiéniques sont très pratiques, surtout pour les filles qui font du sport. Il y a aussi nos serviettes hygiéniques traditionnelles qui se font avec des morceaux de pagne. L'avantage ici, c'est que ça ne coûte rien. Il faut cependant choisir des pagnes propres pour en faire. Ah oui, je vis souvent ma soeur Aïcha en faire. C'est donc ça. Mais maman, j'ai mal au bas-ventre. Oui, ma chérie, ça aussi c'est normal. La prise de certains produits contre les douleurs ou même la pose d'une serviette chaude sur la partie peut aider à soulager l'inconfort. Par contre, si la douleur te cloue au lit ou t'empêche d'aller à l'école, nous devons aller en discuter avec un médecin. Super, maman. Tu es la meilleure. J'ai tellement eu peur, mais tu viens de dissiper toutes mes craintes et répondre à toutes les questions que je me posais. Excuse-moi, ma fille. J'aurais dû en parler avec toi plus tôt car il est nécessaire d'aborder le sujet des règles avant que votre fille ne soit confrontée à ses premières. Elle sera ainsi préparée et rassurée quant aux nouvelles habitudes qu'elle va devoir adopter. Je suis devenue une grande fille maintenant. Je vais devoir changer de démarche, hein, maman. Hey, hey, attention, hein. c'était notre rubrique Affairage. Et comme vous avez dû le constater, c'est une causerie entre deux femmes en vue de sensibiliser euh, sur les questions que les femmes se posent au quotidien. C'était Rafika Taher à la présentation et Seini Isaka à la technique. Espace Espace Espace Espace Espace femme.